the forum district the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district kalam the forum district 18h passé de 15 minutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalango sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ce du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. La qualité des soins dans les centres de santé publics et privés, c'est le thème qui nous réunit ce soir. Comment sont organisés les services destinés à offrir les soins de santé au Niger Quels sont les avantages et inconvénients constatés dans le système Quelle est la réalité des capacités techniques et opérationnelles des centres de santé quels sont les efforts que fournissent les uns et les autres pour améliorer davantage la qualité des soins au Niger Quelles sont les pratiques qui empiètent sur la qualité des soins et qui ont cours dans les centres de santé publics ou privés Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les usagers dans les centres de santé publics et privés Qu'est-ce qui explique cela Comment y remédier Ce sont là, entre autres, questions auxquelles nous espérons trouver des réponses instructives avec nos invités. Il y a Sidi ministre de la Santé publique, Madame Traoré Zainabou, technicienne adjointe membre du ROASEN, le réseau des organisations et associations du secteur de la santé au Niger. Bawa Goubokwe, directeur général adjoint de l'hôpital national de Niamey, seul absent dans cette émission, l'ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes à qui nous avons pourtant envoyé une invitation. Présentation de cette émission à Lassan Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le forum de ce soir porte, je le disais, sur la qualité des soins de santé dans les centres de santé publics ou privés une question d'actualité car les services des centres de santé, tout le monde y a recours un jour ou l'autre. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, euh, je voudrais tout d'abord euh, qu'on fasse un petit tour de table pour une brève présentation des structures respectives que chacun représente ici sur ce plateau dans cette émission. Je commencerai avec vous, Bao Goboko, directeur général adjoint de l'hôpital national. Une brève présentation de l'hôpital national de Niamey. Ok, merci euh, Alassane. La structure que je représente ici, c'est l'hôpital national de Niamey, qui est un, établissement public à caractère administratif, n'est pas, Il est créé en 1922, ça veut dire dans 4 ans, il aura 100 ans. 100 ans. Et d'ailleurs même la chose sur laquelle on va s'atteler pour pouvoir voir dans la mesure du possible comment fêter son centenaire. Mm. Actuellement, l'hôpital national de Niamey a une capacité théorique de 1000 lits, mais la capacité réelle, effectivement, pratique, effectivement, ça fait 780 lits. L'hôpital national de Niamey utilise 1200 agents, toutes catégories confondues et toutes spécialités confondues. L'hôpital national de Niamey effectivement regorge de toutes les spécialités pour prendre en tout cas la plupart des pathologies. Nous allons revenir à vous. Euh, le temps de donner la parole euh, à Mme Traoré Zenabou du Roissel, le regroupement des organisations et associations du secteur de la santé, Madame, une idée de, ce que c'est que le ROASEN, euh, son champ d'action Le ROASEN, c'est un regroupement des associations et ONG du secteur de la santé. Son champ d'action, c'est dans tout le pays. Il regroupe à peu près 70 ONG qui travaillent dans le secteur de la santé. Et l'objectif, c'est de contribuer. Euh, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins des patients ou de la population. Nous faisons de la protection sociale et on se complète par rapport aux, par exemple, les vaccinations et autres, à la recherche des enfants perdus de vue de la vaccination dans le système de santé. Peut-être que vous voulez, je sais pas, je voulais ajouter quelque chose effectivement tout à l'heure lorsque vous m'avez retiré la parole, mhm. parce que euh, ce qu'il est important important de comprendre, c'est d'abord la mission de l'hôpital. L'hôpital a principalement cinq missions. L'hôpital fournit des soins tertiaires. Qu'est-ce qu'on appelle des soins tertiaires Ça veut dire des soins effectivement de troisième niveau. Ça veut dire que ce que le CSI ne peut pas prendre, il envoie au niveau de l'hôpital de district. Ce que l'hôpital de district ne peut pas prendre, il envoie au niveau du CHR et nous devons prendre ce que le CHR ne peut pas prendre. La deuxième mission de l'hôpital, effectivement, c'est la prise en charge des urgences. Là, effectivement, quand il s'agit des urgences, on amène à l'hôpital national. Maintenant, l'hôpital a une mission de recherche et l'hôpital a une mission de formation mhm. et l'hôpital a une mission de mise en œuvre des programmes de santé publique. Mhm. Donc, voilà les cinq missions sur lesquels peut-être nous allons revenir. Parce que c'est en fonction de ça y a qualité de soins. Bien. Avant qu'on rentre un peu euh, plus en profondeur, est-ce que vous pouvez nous donner d'amples informations par rapport à l'organisation même du système de santé au Niger Le système de santé du Niger, il est pyramidal, il est constitué de trois niveaux. Il y a le niveau opérationnel, le niveau régional et le niveau national. Ça veut dire que nous avons au niveau opérationnel tout ce que font les centres de santé intégrés et les hôpitaux du district. Maintenant, du point de vue technique, au niveau régional, c'est tout ce que effectivement font les centres hospitaliers régionaux et les maternités euh, de, référence. régionale et en même temps les centres mères-enfants, Ils se trouvent au niveau du niveau régional. Mais maintenant, le troisième niveau, effectivement, c'est là où on va parler des soins tertiaires les soins tertiaires, effectivement, se constituent par des soins qui sont fournis par les hôpitaux nationaux, par les centres de référence nationaux. Ça veut dire qu'il y a les hôpitaux nationaux, il y a la maternité nationale de référence, il y a d'autres centres nationaux mhm. de référence. Donc, ce qui se donne au niveau régional, c'est ça qu'on appelle les soins secondaires. Mhm. Et les autres, effectivement, c'est ce qu'on appelle les soins primaires. À notre niveau, par exemple, au niveau national, les soins tertiaires. Mhm de troisième niveau. Madame Traoré Zenabou, euh, cette structure euh, technique euh, du système de santé organisé tel que, est-ce que vous pensez que cela présenterait éventuellement des inconvénients pour les usagers qui souvent ne comprennent pas toujours comment ce système. Les, les usagers ne respectent même pas ces niveaux tertiaires, primaires et secondaires. Je dis ça parce que souvent un patient, quand il se lève, au lieu d'aller d'abord au secondaire, il va directement au tertiaire. C'est ça l'inconvénient, ce qui fait que nos hôpitaux sont bondés. Il y a toujours trop de malades dans les hôpitaux. Alors que normalement, un malade, s'il se lève, il doit d'abord aller dans un centre de PMI, dans les hôpitaux des districts régionaux, quoi, chaque région. Mhm. Géographiquement, ils doivent aller dans leur centre de santé, qui sont dans leur quartier, dans le plus proche. Mhm. Quand on n'est pas référencé, effectivement, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas quand même te lever de la même façon, effectivement, qu'on te prend au CSI, tu vas venir vouloir qu'on te. Mais sinon, normalement, des cas simples ne doivent pas venir à l'hôpital. La conséquence, c'est quoi Lorsque un cas simple vient, tu es là en train de t'occuper de ce cas simple. Automatiquement, on amène une urgence. Mais c'est difficile. Ce temps-là que tu consacres sur ce cas simple-là, ce n'est pas son temps, c'est le temps que tu dois consacrer sur ce cas d'urgence pour qu'il puisse être bien pris en charge. Nous revenons à vous, Madame Traoré Zenabou qu'on peut avoir un ramassis des difficultés que les usagers des centres de santé publics et privés rencontrent le plus souvent et Le plus souvent, les difficultés que rencontrent les patients, d'abord je vais parler par rapport à l'hôpital parce que c'est là-bas que j'ai beaucoup vécu. Mhm. C'est les rendez-vous des, les rendez-vous des médecins tu te lèves le matin au petit matin, tu viens, tu cherches ton papier de consultation, tu vas à la perception, tu paies, tu viens. On te dit à 8 heures le médecin doit être là. Mais tu l'attends, tu l'attends souvent, tu attends même jusqu'à midi. C'est en ce temps que une tierce personne va venir vous trouver, vous dire ah monsieur Intel, il ne vient pas aujourd'hui le docteur. Donc si vous pouvez l'attendre jusqu'au soir ou bien revenez demain. Par rapport aussi aux interventions chirurgicales, c'est le gros problème de l'hôpital. Il y a trop de, malades qui doivent être opérés. Souvent, on est confronté au manque de matériel. Souvent, on est confronté au manque de chirurgien. Quand je dis manque de chirurgien, donc le chirurgien, il prend chaque semaine des malades, un nombre déterminé des malades. Donc il ne peut pas prendre euh, euh, beaucoup de malades toute la semaine. On vous dit, allez-y revenir la semaine prochaine pour le programme prochain. Ainsi de suite. Des fois, vous allez faire un mois avant d'être opéré. Nous allons donner la parole au, directeur général euh, adjoint. Tout à l'heure, dans mon intervention, je disais que nous avons pratiquement toutes les spécialités. C'est indéniable. Mais le grand problème, lorsque nous rentrons à l'intérieur de ces spécialités-là, vous allez trouver effectivement certaines spécialités qui n'ont qu'un seul agent. Je prends juste un exemple. Donc ceux-là, les médecins spécialistes, par exemple en gastro, ceux-là qui s'occupent effectivement de tout ce qui a ulcère, de tout ce qui a ventre, tout un tas de trucs comme ça. Un seul agent un seul médecin spécialiste, Gastro. Mais ce seul médecin spécialiste gastro, c'est lui qui s'occupe effectivement des malades qui vont venir visiter. Par exemple, ceux-là qu'on réfère. Mhm. C'est lui qui doit s'occuper effectivement de ceux-là qui sont couchés, qui sont hospitalisés. Qui sont hospitalisés. Mhm. C'est celui qui doit s'occuper effectivement de toutes les explorations fonctionnelles, ça veut dire les examens si vous avez une fibro à faire, si vous avez une coloscopie à faire, si mhm. vous avez une ceci à faire. Il est seul. C'est celui-là, effectivement, qui doit s'organiser pour voir. Et voilà une des difficultés que nous avons. Aujourd'hui, la priorité d'abord, dans un premier temps, pour moi, c'est d'abord à ce malade-là qui est couché. On ne peut pas quitter ce malade-là et aller s'occuper de quelqu'un d'autre alors que celui-là, il a sa vie entre, entre, la, vie et la mort. Mhm. Donc vous voyez, et c'est ça qui fait que deux fois, il y a des, ces, ces faux rendez-vous parce que les faux rendez-vous, le plus souvent, c'est parce que nous sommes insuffisants. Je ne défends pas les spécialistes, mais effectivement, nous sommes insuffisants. Mais par contre, effectivement, il y a des endroits où vraiment on est suffisant. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, parce que ces médecins spécialistes qui sont là avec nous, ils travaillent effectivement à l'hôpital mais deux fois certains sont partagés. Sont partagés entre quoi Il y a ceux-là qui sont occupés par l'université, qui enseignent à l'université. Et parmi ces spécialistes-là, effectivement, aujourd'hui le ministère a une stratégie à faire, il fait appel à ces gens-là venez nous appuyer pour élaborer tel document. Venez nous appuyer effectivement pour faire telle mission. On est obligé effectivement si tu es seul ou bien vous n'êtes que deux, mais vous êtes obligé effectivement certains rendez-vous de les annuler. On a vu des rendez-vous qui sont très longs et c'est ça qui pousse des fois, je le dis ici, mhm. qui pousse des fois. Par exemple, aujourd'hui la personne est venue, on lui a donné un rendez-vous de trois semaines. Mais trois semaines, si tu sais que entre ce que tu vas payer à l'hôpital et ce que tu vas payer à la clinique, peut-être que la différence est cinq 000, mhm. tu vas préférer aller dans une clinique faire ça. là, effectivement, ça fait partie de notre préoccupation et on est là en train de réfléchir pour voir comment amener effectivement les médecins. Quelle est la stratégie que nous allons mettre en place pour amener effectivement les médecins à donner des rendez-vous qui sont courts, qui sont courts. D'abord, un, celui qui, en principe couché, ne doit pas avoir un rendez-vous. S'il y a un rendez-vous, c'est celui-là là, qui est en ambulatoire, qui va à la maison, qui revient, qui est externe. Mhm. Et comment allons-nous faire pour pouvoir réduire ce délai Vous y pensez nous, Non, nous sommes déjà dedans, nous sommes de plein pied dedans. Il y a aussi certains d'entre eux qui officient dans les, dans les cliniques. Dans les cliniques. Oui, c'est un véritable problème. Je ne suis pas bien placé pour pouvoir en parler, mais je vais m'aventurer quand même. Les textes réglementaires autorisent les, spécialistes à exercer dans le privé, mais en dehors des heures de service. De 17h30 là jusqu'à 8h de demain. Et le lendemain, tu reviens, tu prends ton service. Voilà ce que les textes disent. Mais Mais je te dis qu'il y a toujours des brebis galeuses. Mhm. On ne peut pas être bon tous. Vraiment. Mais bon, comme tu l'as dit il y a ceux-là, effectivement, qui, quoi que tu leur fasses. Euh, toujours par rapport aux pratiques qui ont cours, euh, madame, euh, parlant des références et contre-références, il s'est dit souvent que au niveau de, des centres publics, quand tu vois qu'on te donne, on t'a donné un rendez-vous très long, tu ne peux pas attendre. Il y a certains agents de santé qui vous renvoient à une clinique où vous pouvez être prise en charge rapidement. Est-ce que c'est -ce c'est éthique Oui, souvent, c'est même praticien praticiens qui vous donne des longs rendez-vous, à peu près un mois. Et si vous êtes impatient, ils vous disent ah, si vous ne pouvez pas attendre, retrouvez-moi dans telle. clinique. Là, le patient est pris en charge rapidement à la clinique. Bien, j'ai vu euh, le directeur général qui est en train de, vouloir euh, réagir par rapport à ça. Vous savez, l'hôpital national, Keldar, même tous les hôpitaux nationaux, quand nous voyons effectivement des gens partir de la clinique, nous, des fois, ce n'est pas que on s'est dit ça nous fait un peu mal, mais pas tellement. Parce que la finalité, c'est quoi Quelle qu'en soit la chose, nous, on s'est dit que tu vas venir nous retrouver. Parce qu'on a vu ce qui se passe dans les cliniques. On a vu. On a vu certaines cliniques, effectivement, comment les soins que ça a donné. Voilà, vous venez d'entendre deux points de vue de deux personnes du domaine de la santé sur la qualité des soins dans les centres de santé publics et privés. Je vous invite à suivre maintenant le ministre de la Santé publique, Elias Yedi Menassara, sur le même sujet. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Ravi de, vous avoir ce soir avec nous pour parler de la qualité des soins au niveau des centres de santé publics et privés au, Niger. Tout d'abord, euh, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait bien euh, que vous nous rappeliez un peu euh, l'organisation du système de santé euh, au Niger Et Le système euh, de santé est calqué sur euh, l'organisation administrative du pays. Quand vous prenez, vous avez trois niveaux du système. Vous avez le niveau primaire, le niveau opérationnel, par exemple les hôpitaux de les hôpitaux régionaux. Vous avez le deuxième niveau. Aujourd'hui, on met même l'hôpital, les hôpitaux nationaux dans le deuxième niveau. Le troisième niveau, bien qu'il est constitué des hôpitaux nationaux et de l'hôpital général de référence, l'hôpital général de référence constitue le top troisième niveau. Tu as une chaîne des centres de santé euh, intégrés euh, qui sont sous la coupe des districts, des centres de santé intégrés sont soit de type 1 ou de type 2. Type 1, ça veut dire des centres de soins curatifs et promotionnels sans maternité, et type 2, des centres de soins curatifs avec maternité. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 2, on va plutôt vers la construction des centres de santé type 2. Parce que le souci, c'est d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et même dans l'inscription de 2018, 2019 jusqu'à 2021, tous les centres de CSI de type 1 vont évoluer vers le type 2. Il n'y aura plus de construction de cases de santé. On va évoluer vers la construction et la transformation des cases de santé en CSI type 2, pas en CSI type 1, en CSI type 2, pour, où y a la maternité, pour qu'on ait un paquet minimum d'activités, pour qu'on ait une intégration d'activités quand une malade vient ou un malade vient, si c'est une femme, qu'elle puisse avoir une consultation prénatale, une consultation de planification familiale, une consultation postnatale, une consultation prénatale, une consultation de nourrisson, vaccination, tout ce qui est activité de santé, qu'elle puisse avoir un paquet minimum d'activités. Au niveau régional, par exemple, c'est les centres de santé de la mère et de l'enfant, les hôpitaux régionaux, euh, sous la coupe de la Direction régionale de la santé publique. Au niveau national, euh, vous avez les hôpitaux de référence. Vous avez par exemple les maternités de référence comme la maternité Issa Vous avez les, hôpitaux euh, nationaux, l'hôpital de Lamordé, l'hôpital national de Zender, l'hôpital national de Niamey. Et le top niveau, le troisième niveau, c'est l'hôpital général de référence et un autre hôpital général de référence avec les mêmes structures, les mêmes capacités en train d'être construit au niveau de la région de Maradi, à Maradi même, et chef-lieu de la région de Maradi. Et toute cette organisation, c'est pour améliorer la qualité de soins. Et comment améliorer la qualité de soins le Niger s'est doté d'un plan de développement sanitaire, PDS. On est à la quatrième génération de PDS. La quatrième, c'est le PDS 2017-2021. Et ce plan de développement sanitaire est en corrélation avec le plan de développement économique et social. Tout récemment, le PDS du Niger a été approuvé, a été plébiscité à la table ronde de, de Paris. Et ce PDS est en corrélation avec le programme de la renaissance du président de la République qui prend en compte tous ces aspects parce que la santé constitue l'une des priorités du programme de la Renaissance. Et des moyens importants sont en train d'être investis dans le domaine de la santé pour améliorer les plateaux techniques, pour améliorer la disponibilité des médicaments, pour améliorer la disponibilité des ressources humaines en santé, dans les structures de santé. Tout ça pourquoi Pour réduire la morbidité et pour réduire la mortalité et surtout des groupes cibles qui est très élevé. Monsieur le ministre, Qu'en est-il du respect de cette pyramide que vous venez de citer Tu sais, ça c'est vraiment un problème qui se pose avec acuité ou du fait de la méconnaissance ou du fait de l'ignorance ou parfois bon les gens le font exprès et vous avez toute une chaîne de CSI au niveau opérationnel les gens préfèrent pour un mal de tête aller à l'hôpital pour un travail d'accouchement normal les gens préfèrent aller à la maternité générale de référence. Alors que le dispositif qui a été mis en place avec la fonctionnalité des centres de santé intégrés, des maternités des quartiers, je pense que un travail de sensibilisation s'impose. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Même si, en tout cas, les habitudes, on l'a vu, qui est très dure, on continue à sensibiliser. Les choses sont en train de s'améliorer. Dans le cadre de la prise en charge, on a toujours conseillé aux malades de commencer par ce palier il faut toujours commencer par le premier niveau. Le premier niveau, il va évaluer si votre état nécessite que vous soyez à l'hôpital de régional ou au niveau de l'hôpital national ou au pire des cas au niveau de l'hôpital général de référence, c'est cet examen qui va guider le médecin à vous renvoyer ou à vous référer au niveau de l'hôpital général de référence. Au niveau des autres structures où aujourd'hui aussi la qualité de soins est améliorée, le plateau technique est amélioré, dans le cadre de sensibilisation que nous sommes en train de mener tous les jours, on a toujours demandé à la population de commencer par le premier niveau. Nous avons toute une série de CSI aujourd'hui à Niamey, une soixantaine qui sont rendus fonctionnels, qui gardent 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, ça facilite non seulement l'économie de temps, mais également l'économie de moyens aux malades. Quand la personne commence avec la structure périphérique, si la structure périphérique ne peut pas le prendre en charge, elle l'oriente vers la structure secondaire. Si la structure secondaire n'a pas les moyens, le plateau technique requis pour le prendre en charge, on le refère vers la structure tertiaire qui constitue les hôpitaux nationaux, dont l'hôpital général de référence qui est le dernier niveau aujourd'hui. Depuis plusieurs années, on a tenté d'expliquer à la population si votre enfant est malade, il ne faut pas l'amener à l'hôpital. Il faut d'abord commencer avec le premier niveau. Il se pourrait que les peu de moyens que vous avez peuvent permettre de prendre l'enfant en charge au niveau du, CSI que de l'amener au niveau d'un hôpital de référence où demain vous allez vous plaindre non seulement de peut-être du coût élevé de soins, en réalité le dispositif qui a été mis en place, s'il est respecté, si la pyramide est respectée, il y aura moins de problèmes. Pourquoi ailleurs les gens respectent la pyramide C'est pour faciliter non seulement l'accessibilité, la disponibilité et mieux la qualité de soins. Quand tu vois aujourd'hui comment nos centres de référence sont engorgés, c'est parce que les gens ne respectent pas la pyramide sanitaire. conséquence, monsieur le euh, Mais la conséquence, les services vont être débordés, les gens vont venir se plaindre, non seulement de l'accueil, mais surtout de la qualité des soins. une équipe est débordée, on ne peut pas parler de la qualité des soins. Mais si c'est des cas qui nécessitent l'évacuation, qui viennent au niveau des hôpitaux de référence, là, on peut vraiment assurer la qualité de soins. On peut assurer l'accueil au niveau de ces centres de santé. Et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on a toujours fait. Expliquer à la population, les CSI des quartiers-là doivent être fréquentés. Mais si la population ne les fréquente pas, qu'est-ce qui va se passer Les agents qui sont au niveau des CCSI, à partir d'une certaine heure, ils sont fermés. Alors que un CSI, depuis le jour où il est ouvert, doit fonctionner 24 heures sur 24. Et là, il faut que la population nous aide en fréquentant ces centres. Ça va nous permettre de vérifier quel agent fait son travail, quel agent respecte le chronogramme de travail. Aujourd'hui, nous avons mis en place au niveau de l'ensemble des CSI publics un mécanisme de garde avec numéro de téléphone où quand la personne vient de garde, on sait tel jour qui a gardé, telle heure qui est descendu, qui est remonté, quel acte a été posé pendant la garde de tel agent, qu'est-ce qui a été fait pendant la permanence de tel agent. Dans le cadre de la prise en charge, on a toujours conseillé aux malades de commencer par ce palier. Il faut toujours commencer par le premier niveau. Le premier niveau, il va évaluer si votre état nécessite que vous soyez à l'hôpital régional ou au niveau de l'hôpital national ou au pire des cas au niveau de l'hôpital général de référence. C'est cet examen qui va guider le médecin à vous renvoyer ou à vous référer au niveau de l'hôpital général de référence. Au niveau des autres structures où Aujourd'hui aussi, la qualité de soins est améliorée, le plateau technique est amélioré. Dans le cadre de sensibilisation que nous sommes en train de mener tous les jours, on a toujours demandé à la population de commencer par le premier niveau. Nous avons toute une série de CSI aujourd'hui à Niamey, une soixantaine qui sont rendus fonctionnels, qui gardent 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, ça facilite non seulement l'économie de temps, mais également l'économie de moyens aux malades quand la personne commence avec la structure périphérique, si la structure périphérique ne peut pas le prendre en charge, elle l'oriente vers la structure secondaire. Si la structure secondaire n'a pas les moyens le plateau technique requis pour les prendre en charge, on le referme vers la structure tertiaire qui constitue les hôpitaux nationaux, dont l'hôpital général de référence qui est le dernier niveau aujourd'hui. Pour fermer euh, cette parenthèse, monsieur le ministre, est-ce que c'est parce que euh, peut-être euh, les gens pensent ne pas pouvoir trouver de satisfaction de leurs mots quand ils aillent dans ces petits centres, entre guillemets Oui, parfois nous avons des comportements déplorables de certains de nos agents de santé. On a toujours attiré l'attention avec l'appui des différents syndicats qui nous ont toujours aidés à sensibiliser les agents de santé de façon générale au nom de l'éthique, au nom de serment que les gens ont, ont prêté et qu'ils doivent respecter le malade qu'ils doivent respecter leur rôle, leur rôle d'agent de santé. Parce que quand vous voyez le malade venir, c'est qu'il a besoin de votre service. Et il y a toujours une compensation, même si elle n'est pas dans cette vie il y a toujours une compensation. Et c'est pour ça qu'on a toujours interpellé à la conscience professionnelle de ces agents de santé, au respect de l'éthique et de la déontologie médicale dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé. Monsieur le ministre, qu'en est-il du redéploiement des agents de santé à l'intérieur du pays Mais effectivement, le redéploiement continue et je vous dis, à la date du fin janvier, nous avons redéployé 1000 375 agents de santé, toutes catégories confondues. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous médecins qui viennent d'une spécialisation, on le refère à l'intérieur au niveau des régions. Parce aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas une région qui n'a pas un hôpital régional. Le dernier hôpital régional a été mis en place le mois passé au niveau de Tilabiri. C'était la seule structure depuis des années qui n'avait pas cet hôpital. Donc toutes les régions ont des hôpitaux régionaux de référence. À titre d'exemple, quand aujourd'hui quelqu'un finit une spécialité comme la gynécologie, on essaie de le redéployer à l'intérieur. Pourquoi Pour que les centres de santé mère-enfant, qui sont spécialisés dans la santé de la mère et de l'enfant, puissent assurer la continuité de soins. C'est quoi la continuité de soins C'est que ces centres mère-enfant puissent accueillir les malades, les femmes enceintes, les femmes dans l'État nécessite qu'elles soient prises en charge au niveau de ces régions, qu'elles fonctionnent 24 heures sur 24. Et pour les rendre fonctionnelles 24 heures sur 24, il faut un minimum de 5 gynécologues par centre de la santé de la mère et de l'enfant. Et ce sont ces conditions qu'on a réunies pour redéployer les gynécologues qui étaient un moment en surnombre ici à Niamey. Et même la dernière promotion qui vient de sortir, dès qu'ils ont soutenu automatiquement, on les a affectés tous à l'intérieur. Et l'engagement dans le cadre des réformes, c'est que ces régions puissent avoir également des spécialistes pour réduire et non seulement le nombre de décès, et le nombre de morbidités, le nombre des évacuations. Aujourd'hui, et Dieu merci, le dispositif qui a été mis en place est en train de réussir pratiquement au niveau de toutes ces régions aujourd'hui. Nous avons un plateau technique qui nous permettent d'amener des spécialistes, que ce soit des pédiatres, que ce soit des gynécologues, que ce soit des médecins internistes, que ce soit des chirurgiens. Parce que le souci du président de la République, c'est de faire en sorte que, au même titre que ces centres de santé de la mère et de l'enfant qui sont fonctionnels, les centres hospitaliers régionaux puissent être fonctionnels avec des cadres qualifiés en quantité pour prendre en charge la santé de la population jusqu'à la région la plus éloignée du, pays. Monsieur le ministre, dans le domaine de la santé, il y a un nombre élevé de contractuels. À quand le recrutement de ceux-ci ou de nouveaux agents à la fonction publique Effectivement, nous avons beaucoup de contractuels dans le domaine euh, de la santé. Vous vous souvenez, et en 2015 16 euh, euh, il y a eu un concours qui a été organisé dont 1800 agents de santé de catégorie confondue ont été recrutés, mais compte tenu d'un certain nombre de problèmes qui ont émaillé ce concours, le, gouvernement, en toute souveraineté, a annulé ce concours. Mais aujourd'hui, on est en train de prendre des dispositions, tout en continuant le redéploiement, prendre des dispositions pour organiser un autre euh, euh, recrutement des agents de santé en fonction, en tout cas, de la disponibilité des moyens. Parce que le budget même, en ce qui concerne la santé, a passé de 6 et 8%, je crois, à 10,6% en 2018. Et c'est là pourquoi c'est pour faire en sorte, conformément aux engagements qui ont été pris eh, dans le programme de la Renaissance, qu'on ait vraiment le plateau technique amélioré, qu'on ait des infrastructures, des soins au niveau de toutes les régions, au niveau des nouveaux districts quand vous prenez, rien qu'en 2018, là, on va réceptionner une dizaine d'hôpitaux de références départementaux. Je peux te les citer à Bankilare, à Gauté, à, à, Bilma, à Bouza, etc. C'est des hôpitaux euh, des districts modernes, des hôpitaux des départements modernes qui vont être réceptionnés et qui vont être équipés par l'État et ses partenaires. Et en plus de cet équipement, on va mettre à la disposition de ces services des médicaments pour rapprocher la population des soins de santé de, qualité. Monsieur le ministre, qu'en est-il euh, de l'effectivité de la gratuité des soins euh, pour les nouveau-nés de 0 à 5 ans, les femmes enceintes Il revient beaucoup souvent que cela pose d'énormes difficultés dans certains centres de santé où les gens sont obligés euh, de, quand même de, de dépenser malgré tout. Par rapport à la gratuité des soins, les responsabilités sont partagées. Mais la gratuité est toujours effective, mais c'est les acteurs qui sont chargés de, de, de, de suivre cette gratuité qui ne font pas le travail. L'État remboursait la gratuité. L'État donnait des médicaments, mais également les partenaires donnent des médicaments. Mais on ne dit jamais ce que l'État donne en matière de médicaments, ce que les partenaires donnent en matière de médicaments. Quand on a mis en place le système de gratuité, il y a un fonds de démarrage qui a été mis en place. Il y a eu des remboursements qui ont été faits. Mais les médicaments que l'État achète, les médicaments que les partenaires achètent, ce n'est pas des dons, c'est des achats qu'ils font. Et dans la plupart de ces médicaments, il y a également le cofinancement. Le cofinancement, il y a des partenaires qui viennent s'engager à accompagner le Niger par l'achat des vaccins, l'achat des médicaments, mais l'État prend en charge le cofinancement. Il y a la contribution. Une Une partie. Mais une fois que ces médicaments arrivent au niveau des centres de santé, nous avons deux systèmes. Soit c'est un système éclaté où le, CSI fait son recouvrement, il a son compte bancaire, puisqu'il y a deux niveaux. Il y a le payant, il y a la gratuité. Le payant, là, c'est avec les médicaments que l'État envoie, que les partenaires achètent, on revend ces médicaments dans le cas de la pression communautaire, on fait un recouvrement forfaitaire. Et ce recouvrement forfaitaire doit permettre d'acheter les médicaments pour la cible de la gratuité. Malheureusement, les gens ne font que produire des factures. Ils ne disent jamais ce qu'ils ont recouvré en termes de payants. Ça, nous avons tenté une année, en tout cas même l'année passée, à faire l'exercice au niveau de la, du département de Giderumji, où nous avons pris le mois d'octobre octobre, novembre, l'État a mis à la disposition de ces districts des médicaments. Les partenaires également ont acheté des médicaments. Le recouvrement partiel qu'ils ont fait s'élève à 54 millions. Et de l'autre côté, il y a eu des factures dans le cadre de la gestion de la gratuité. Normalement, ce qu'ils recouvrent doit servir à faire le ravitaillement. Il n'y a jamais de compensation mais il continue à produire des factures. Et tout récemment, à l'occasion de nos tournées au niveau de l'intérieur, nous avons eu à expliquer, nous sommes en train de mettre en place un système de gestion et vraiment de la participation communautaire. Rares sont des CSI des districts aujourd'hui qui ont ce qu'on appelle le document de RUMEG. Le document de RUMEG, c'est un document quand par exemple le partenaire ou l'État achète des médicaments, et envoie le dernier comprimé Jusqu'au dernier comprimé, on a la situation de ce médicament. Qui a reçu le médicament C'est le payant ou la gratuité. Et vous savez, pour que les gens puissent vraiment avoir d'autres comportements par rapport à la gestion de cette gratuité, ils ne remplissent jamais le remède. Il n'y a jamais d'analyse financière. Il mais, mais prends l'exemple, par exemple, de la CPN. La CPN, là, on facture l'État. Mais qui achète les entrants C'est l'État qui achète les entrants. La sulfadoxine, le fer, l'installation, c'est l'État qui achète, c'est l'État qui donne. Mais on fait des factures consommées à l'État pour payer. Est-ce que vous voyez Donc, les responsabilités sont partagées. Je ne dis pas que nous-mêmes, on n'est pas eh, responsables responsable de la situation, mais de chaque côté, les responsabilités sont partagées. Si chacun joue son jeu, je pense que c'est une grande opportunité. Quand tu prends de la sous-région autour des pays qui entourent le Niger, il n'y a pas un pays qui assure la gratuité des soins à la cible des euros à 5 ans. Il n'y a pas un pays qui assure la gratuité de la consultation prénatale. Il n'y a pas un pays qui assure la gratuité de la césarienne aujourd'hui jusqu'à preuve de contraire. Si vous remarquez un district qui n'assure pas la gratuité de la césarienne, il faut nous le dire, on va le poursuivre. Monsieur le ministre, je voulais juste peut-être que vous rappeliez un peu euh, à nos auditeurs euh, quels sont, par exemple, par rapport à cette gratuité, quels sont les médicaments qui sont censés être dans la catégorie gratuite et quels sont ceux qui sont payants, parce que tout vous avez parlé de payants. Parce que souvent on fait aussi l'amalgame. Je t'ai dit, il y a deux catégories de malades. Il y a les enfants qui sont 0 à 5 ans cibles de la gratuité. Il y a les adultes, ils payent. Quel que soit le médicament, ils doivent payer un forfait. Par exemple, quand tu prends le traitement de palu dans un centre de santé intégré, tu pars, on consulte, y compris la consultation et le traitement de trois jours, ça coûte 1000 francs. Mais quand tu vas dans un cabinet privé, même si c'est une salle de soins privée, ça va te revenir autour de 5 000, 10 000. Mais c'est cette catégorie des gens qui payent leurs soins, les adultes, qui payent le forfait, c'est ça qui doit permettre vraiment d'ajuster pour assurer la continuité. L'État continue, même l'année passée, l'État a payé plus d'un milliard de la gratuité. Et même cette année, on a, inscrit. Donc, chaque année, l'État fait des efforts. Il achète les médicaments, mais également, il continue à rembourser la gratuité. Mais il faut que les acteurs, de part et d'autre, jouent le rôle. Si les acteurs ne jouent pas le rôle, c'est tout à fait normal qu'on soit confronté à des problèmes dans le cadre de la gestion de cette gratuité de soins. Monsieur le ministre, je voudrais aborder un point. Euh, c'est par rapport aux pratiques qui ont cours dans les différents centres de santé publics et, privés. Euh, quand nous prenons par exemple les centres de santé euh, publics, on, a vu que les patients souvent se plaignent des longs rendez-vous que leur donnent les médecins. Et qu'en dites-vous à, à cela Bon, tu sais, là, ça toujours, ça interpelle toujours les agents de santé au respect de l'éthique et de la déontologie. Le respect du serment. Le respect du serment, c'est quoi Tu es un agent de l'État, tu es recruté, tu es payé. Pendant les heures du travail, tu dois rester travailler. Et on a toujours déploré ce genre de comportement. Je ne dis pas que tous les agents de santé sont responsables. Il y a ceux qui respectent leur serment professionnel, leur serment il y a, vraiment ceux qui vont à l'encontre. Et tout ça, c'est des situations qu'on a fustigées. Et même les associations qui nous aident, de la société civile, les, syndicats, ne sont pas d'accord avec vraiment ces comportements. C'est des comportements déplorables. Et on a toujours interpellé les agents de santé au respect de l'éthique et de la déontologie. il est inconcevable qu'un malade vienne dans une structure publique et qu'on lui donne un rendez-vous ou qu'on le refaire dans une clinique. Moi, j'allais en venir pour ça. C'est des situations qu'on déplore. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à prendre, dans le cadre des réformes, à réactiver tout ce qui est, et, tout ce qui est règlement, tout ce qui est texte par rapport au respect de l'exercice privé de la profession de santé. Euh, donc, en dehors de cet aspect où euh, certains médecins, après avoir donné de longs rendez-vous aux, usagers, leur disent Bon, si vous voulez, vous partez dans, telle ou telle autre clinique, euh, à, moins de 24 heures, votre problème sera pris en charge. Je voudrais qu'on aborde l'autre aspect, le, notamment ceux qui partent se traiter dans les cliniques. Il revient aussi souvent qu'après un long séjour dans les cliniques, après avoir dépensé tout son argent, et que finalement le, le patient et en phase terminale, souvent on renvoie les gens au, niveau des centres publics, notamment à l'hôpital. Euh, est-ce que cet aspect, vous avez, euh, vous avez un regard assez euh, averti par rapport à cette question L'existence des cliniques n'est pas un mal en soi. Les centres de santé privés contribuent aussi à la qualité de soins. Ils contribuent à l'amélioration de la qualité. Mais il faut que ça se passe dans le respect des textes, dans le respect, en tout cas, de, de, tout ce qui est, norme en matière d'exercice et en privé des, des, des, des, des soins de santé. On est en train de aujourd'hui, en train de, de, corriger un certain nombre d'alinéas de, par rapport à la prise en charge au niveau des cliniques, par rapport à, à la rémunération ou par rapport à la tarification au niveau des cliniques où on constate une disparité. Que ce soit au niveau des cliniques ou même des pharmacies eh, privées, on constate une disparité dans la tarification des actes. Là également, en tout cas, elles nous ont compris, on a eu plusieurs réunions avec euh, les promoteurs de ces structures privées et dans les semaines ou mois à venir, je pense que on va émettre un mécanisme non seulement qui va soulager la population, mais surtout qui va les aider. Parce que le rôle de l'État n'est pas euh, seulement de harceler ces cliniques, mais de les accompagner. Mais il faut qu'ils respectent les textes. On ne peut pas comprendre un acte euh, qu'on fait dans une clinique X à 10 000 qu'on le fasse dans une autre à 20 000, 30 000. C'est les mêmes actes qui nécessitent les mêmes consommables, les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes entrants. Et c'est pour toutes ces plaintes qu'on a ah, qu'on enregistre pratiquement tous les jours, c'est ça qui nous a amené, en tout cas, à nous asseoir avec les promoteurs de ces structures privées à voir comment il faut améliorer ce qu'ils font. On n'est pas là pour les bloquer, on est là pour les accompagner, mais il faut que ce qu'ils font se passe dans le respect des règles. Parce qu'on a vu qu'il y a quelques mois, vous avez fait fermer un certain nombre de, cliniques, notamment qui ne respectent pas euh, certaines procédures et règlements. Oui, on continue même à les fermer, on continue à faire les inspections. Déjà, sur euh, une, euh, je crois, un nombre de 120 qui ont été inspectés, nous avons eu à fermer 14, mais l'inspection continue à Niamey et à l'intérieur. En 2018, il y a au moins 3 à 4 régions qui vont être inspectées que ce soit les structures publiques, que ce soit les structures privées, les structures privées, aussi bien les pharmacies privées que les cabinets, les cliniques, les polycliniques privées qui sont sur l'ensemble du territoire national seront inspectées. Et tous ceux qui ne sont pas dans les normes auront des mises en garde en fonction en tout cas du degré de l'erreur ou du non-respect des textes les cliniques seront euh, fermées. Euh, celles qui ne sont pas dans les règles, par exemple un cabinet qui n'a pas d'autorisation d'exercice, qui n'a pas le, plateau technique euh, requis, si on le prend dans une telle situation, on le ferme. Hein. Il y a d'autres, c'est des problèmes de renouvellement ou des agents de l'État payés par l'État qui se retrouvent dans ce genre de cliniques. Là, on fait des mises à demeure. Si à l'issue du délai de temps de mise à demeure, la clinique ou le responsable, le promoteur n'obtempère pas, là, on ferme le cabinet ou la clinique. Monsieur le ministre, tout à l'heure, j'avais évoqué l'aspect euh, les, transferts. Est-ce qu'il y a des textes qui encadrent, par exemple, euh, ces transferts entre cliniques euh, et, centre privé, centres privés, centres publics ou centres ou simplement de la pyramide Les cliniques, et, elles peuvent transférer à n'importe quel moment. Dans tout le cas, dans tout le cas, le dernier recours là, c'est l'État quelle que soit en tout cas la qualité de soins au niveau de la clinique, quand ça ne va pas, le refaire à l'hôpital. Oui, oui. Ouais. Dernière question, Monsieur le ministre, pour en finir. Euh, il y avait aussi cet aspect des faux examens, des examens inutiles qu'on fait passer aux gens souvent. Et ça, y compris dans, certaines structures publiques, euh, pas seulement privées. Tout ça, c'est le non-respect de l'éthique et de la déontologie. Si on respecte son serment et qu'on aura des comptes à rendre demain à Dieu, euh, les gens ne vont pas se mettre dans ce genre de comportement. Hein, qui travestit non seulement l'image de la société, du moins de, l'agent de santé de façon générale, mais également qui est, quand même euh, qui est immoral. Hein, et taxer un examen ou recommander un examen dans l'état de malade, n'est-ce pas Ça, c'est à l'encontre de l'éthique et de la déontologie. On a toujours, en tout cas, interpellé les agents de santé qui le font, et vraiment à ceci Le dernier mot et c'est vraiment un appel d'abord aux agents de santé, au respect de l'éthique et de la déontologie, au respect des textes qui régissent les professions de santé, au respect du statut général de la fonction publique. Un agent de l'État, s'il est recruté pour servir, il doit rester servir. Fin du forum de ce soir sur la qualité des soins dans les centres de santé publics et privés. En conclusion, nous retenons que la qualité des soins est une préoccupation à laquelle tout le monde tient et c'est quelque chose pour laquelle la contribution des usagers, du gouvernement et des agents de santé est nécessaire. Des agents de santé qui sont souvent décriés par les usagers dans leur comportement qui gire souvent avec les principes de l'éthique et de la déontologie du métier. Nous aurions bien aimé savoir savoir ce qu'en pense l'Ordre des médecins, pharmaciens chirurgiens dentistes sur ce sujet. Malheureusement, comme je l'ai dit en début de cette émission, malgré nos multiples tentatives, l'Ordre n'a pas voulu assister. Nous étions en compagnie du ministre de la Santé publique, Elias Yidi Mainassara, Madame Traoré Zenabou, technicienne adjointe et membre du Saint, le réseau des organisations et associations du secteur de la santé au Niger, et Bao Goubekoy, qui est directeur général adjoint de l'hôpital national de Niamey. Présentation à la la Sankouzi Mahamadou. Bonsoir.